lenn rek lañ bëgg a dégg ci Macky Sall moo xam euh, mu nekk loo xam ne moom moo mën a tax lii di manifestation yi arrêté euh, mooy euh, déjà mu wax ne moom du bokk ci élection 2024 yi parce que warul bokk ñaareel bi charge yi nga xam ne teg na ko ci ndodd Ousmane Sonko mu teggi ko ba ñëpp ñi nga xam ne war nañoo bokk ci élection yooyu ñoon ñu bokk ci donc mu organiser ay élection yu libre yu transparente donc euh, il condition yooyu tey moom a tax euh, euh, ñu calmer li nga xamné ne situation bi donc su dul euh li nga xamné mom la jeunesse bi continue dañ exiger le départ de Macky Sall parce qu'en réalité il a fait trop de mal c'est ça la réalité il a fait trop de mal à ce pays-là et qu'il ne doit plus continuer à diriger ce pays ci conditions yi nga a ne la koy defee donc qu'il y a ci manifestation yi gis nañ ko euh, ñetti doomu Adama, ñak nañ ci seen bakkan euh, daal di ku ci euh, fukk ak ñeenti doomu nga nañ seen bakkan ci atum 2021 ci procès bo xamni ñepp xam ni procès tiaxan la ñepp xam complot la mu continuer mettre la pression ba ay doomu continue continuer di ci faatu donc gis nañ li nga xamni mom mo xew stratégie bi mu laloon moy ba japp di Ousmane Sonko euh, mais euh, euh, la détermination la jeunesse bi nga donc divertir distraire c'est juste un recul stratégique donc c'est juste le temps d'arrêter Madame, les manifestants ils nga identifié nañ gens, euh, baliser le terrain pour que euh, dans quelques jours mu revenir euh, li nga mu dag ko Ousmane Sonko humilier donc c'est son seul objectif aujourd'hui nak euh, gis nañ li nga xamné mom mo nek ci terrain bi titre nañ euh, la détermination de la jeunesse Titre na len motax ñuy calmer un peu les ardeurs mais xam nañ ni euh, seen objectif bàyyiwuñ ko tay bàyyiwuñ ko suba donc li nga xamné mom mo am ba des moy cette jeunesse là euh, va continuer la pression. Les Sénégalais, ils au niveau au Sénégal, ils au niveau de la diaspora, vont continuer la pression pour que Macky Sall parce que euh, disposition yi nga euh, continuer de diriger ce pays là Les nit actuellement prison otages politiques euh, depuis des années euh, plus de 400 personnes on parle de 500 personnes qui xamné dañ leen a euh, ci prison bi rek population bi multiplier les les manifestations pour que nous libérer les otages politiques parce qu'on ne peut plus vivre dans un pays bo xamné injustice bi encore une fois dama koy répéter donc recul stratégique il va revenir avec ses hommes

nous devons rester concentrés et que toutes les forces vives de la nation aujourd'hui devraient se joindre à tous les Sénégalais ak foo manti exiger à Macky à ce que nous jugee ci premier parce que lorsque kese moom moment ci son départ parce que ñu waroon wax wax def donc il s'entête et beaucoup de kenn maintenant le peuple doit prendre ses responsabilités nous devrons prendre nos responsabilités euh, basta donc euh, euh, parce que tout simplement trop de mal tu as fait trop de mal il y a eu trop de morts il y a eu trop d'arrestations il y a eu trop trop d'injustice dans ce pays. Donc, on ne peut plus continuer quand même à rester les bras croisés. C'est le moment de multiplier tout simplement la pression et que nous pour une bonne fois pour toutes. Djam, dès le Sénégal.